et c'est l'heure de notre émission Le Niger se Kalango. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro présenté par Fanta Chamsou et moi-même Habiba Ahmed. Bonjour Fanta, en forme ce matin Je vais bien Abiba et toi comment tu vas Ça va bien. Super alors, quel est le menu du jour C'est mercredi, d'abord le flash d'information, ensuite dans la rubrique hebdomadaire environnement, nous parlerons recyclage, ensuite nous irons à Tilaberi pour code des régions et il y aura les chroniques Loti et e-sport puis la culture linguistique en Zarma avec le mot de la semaine ONG. Et dans la partie entretien, nous serons avec M. Bachir Baomé promoteur de la crédité Tessawa. Les Niger est aussi une émission de divertissement avec de la musique 100% nigérienne. Chers auditeurs, restez branchés pour la suite. Et tout de suite, le flash d'information avec Moussa Hassan. Bonjour Moussa. Ah, bonjour Fanta, bonjour euh, Abiba. Euh, nous débutons le flash avec cette information selon laquelle le ministre des Affaires étrangères du Niger et de la coopération Bakary s'est entretenu hier mardi avec euh, le chef de la délégation de l'Union européenne au Niger, Salvador Francesca da Silva, selon le quotidien Le Sahel. Et suite aux discussions entre le Niger et ses partenaires, beaucoup ont souhaité poursuivre leur coopération sur de nouvelles bases respectant des intérêts du pays. Et en région, pas de réseau de téléphonie mobile ni de connexion à Bilma. Région d'Agadez, depuis 4 mois bientôt, selon l'acteur de la société civile Al-Haji Lawa Ataher qui a approché notre correspondant à Agadez aujourd'hui, la population ne dispose d'aucun moyen pour être en contact avec le monde extérieur. Cette situation empêche cette population de mener à bien leurs activités ou de communiquer avec leurs proches. Il lance donc euh, la sonnette d'alarme auprès des autorités compétentes de la région. Et enfin, après la CDAO, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, a aussi levé les différentes sanctions économiques contre le Niger afin, d'essayer de sauvegarder l'unité africaine, préserver la stabilité régionale et dans un souci humanitaire. C'est tout pour les flèches d'aujourd'hui. Merci beaucoup Moussa, bonne journée. Chers auditeurs, nous l'avions annoncé tout à l'heure. Notre invité du jour est M. Bachir Bawa Megizo, le, le promoteur de l'entreprise Fikera. À l'origine, Megizo est enseignant, résident à Tessawa, qui a eu l'initiative de fabriquer localement de la craie. Vous en saurez plus le temps d'écouter Abdou Tambalio, qui nous vient avec le titre Babangoro. Draman Garbadi Abdou Tambalio est originaire des Indes. Il a commencé la musique depuis le collège et c'est l'un des pères fondateurs du groupe Haski avec le de Sanya Boussa. Ils étaient très populaires à Damagaram, mais ce n'est qu'après le décès de son ami qu'il forme le groupe Jagaraya Band, qui compte à son actif trois albums. passons à l'entretien. Partant de difficultés qui rencontrent les enseignants dans l'approvisionnement en craie de qualité et en quantité suffisante, M. Bachir, enseignant des carrières et surtout de sa zone de confort afin de trouver une solution au problème. Dans cette première partie, il nous explique également le processus de la fabrication de la craie, une interview qu'il nous a accordée lors d'un reportage dans la région. On écoute. Étant enseignant, euh, j'ai vu les difficultés que nos collègues, nos camarades rencontrent sur le terrain. Et un problème de la sa disponibilité et sa accessibilité parce qu'il faudrait importer de la crée du Nigeria ou bien du Bénin. Donc j'ai vu la nécessité maintenant de pouvoir nous former dans ce sens pour pouvoir maintenant faciliter la tâche aux enseignants et avoir l'accessibilité donc à la crée, une crée de qualité, lisse et sans poussière parce que la crée qui nous vient du Nigeria est, elle est toute autre et vu la qualité Vraiment, on a décidé de nous former dans ce sens et où nous avons mis en place cette interprétation l'année passée. C'était le 8 septembre 2022. Vous fabriquez ça avec quelle matière Et la crise scolaire a plus de 16 matières premières. Donc nous, nous utilisons deux matières, qui le gypse et le calcaire. Vous trouvez ça à Tessawa ou vous commandez ça ailleurs Non, non. À Tessawa, nous n'avons pas de sites pour euh, le traitement du gypse, bien que nous avons des gisements dans un village à côté nous trouvons ça mal bazar parce que j'ai des connaissances et qui m'ont vraiment facilité la tâche. Et à un moment donné, je cherchais ça du Nigeria. Bon, j'ai vu que celui du Nigeria n'était pas bon. Euh, le tamisage n'est pas du tout conforme à ce que nous voulons comme matière première. Donc, un monsieur qui travaille à l'usine, il m'a recommandé cela et c'est cela que nous utilisons maintenant chez nous. Qui sont vos clients Nos clients, ce sont les libraires, les chefs d'établissement privés et publics et les institutions et nous avons des ONG qui achètent pour faire des dons dans les écoles. Et nous avons aussi des libraires qui achètent en gros pour euh, euh, revendre donc dans les marchés hebdomadaires ruraux, quoi, autant pour moi. Donc ce sont nos cibles, ce sont nos clients. Et enfin, le consommateur final, ce sont les enseignants. Qui vous a appris ce métier euh, Ce métier, après avoir mûri mes réflexions sur comment solutionner le problème que les enseignants sont confrontés suite à l'utilisation des mauvaises craies, donc, euh, j'ai lancé mes recherches euh, sur Internet. Euh, j'ai trouvé des sites et des ans vraiment qui font la formation de ce genre. J'ai reçu ma première formation en, 2020 au Bénin. C'était une formation en ligne avec un centre de formation et aux, techniques de, de trucs, trucs, appliqués, SIFPA, Bénin. Donc euh, la la formation, je l'ai reçue en présentiel à Agadez avec euh, un autre monsieur qui était venu du Cameroun. Donc j'ai fait quatre jours avec lui. Donc j'ai vu le processus de fabrication. Ils m'ont beaucoup appris. Et j'ai suivi une autre formation au Nigeria en présentiel aussi. Donc euh, c'est là le début donc de mes formations et je me suis retourné à la maison donc pour maintenant appliquer cela. Donc j'ai eu à travailler beaucoup sur ces produit que j'ai eh, appris avec trois ou quatre institutions de formation dans ce sens. Comment jonglez-vous entre vos responsabilités d'enseignant et votre passion de la fabrication de la craie eh, Alhamdulillah, ça c'est quelque chose vraiment qui, qui est très facile parce que je suis un professeur d'éducation physique et sportive. Généralement, à l'école, je, je n'ai que trois heures de cours par jour. Quand je finis mes cours, je reviens à la maison pour ouvrir maintenant l'atelier avec les, employés. Donc nous travaillons généralement un travail de 4 à 6 heures par jour. Et la nuit aussi, à 22 heures, on commence à travailler jusqu'à 2 heures du matin, on finit. Et là, je me repose, je prépare mes cours et le matin, je rentre à l'école. Donc euh, je pense que, même pas moi, beaucoup des, des enseignants ont des activités secondaires. Donc ils arrivent vraiment à joindre le debout. Parce que tout ce qu'il faudrait ici, c'est de pouvoir s'organiser. C'est une question de timing. Il faut s'organiser pour donner un temps pour le, temps personnel et aussi le temps euh, d'activité secondaire. En tout cas, là, j'ai pas de problème par rapport à cette question. Et nous avons toujours géré euh, le temps avec mes employés. Vous avez combien d'employés J'ai trois employés pour l'instant. Nous avons euh, un producteur, un qui fait le paquetage et un autre livreur. Et c'est des jeunes de mon quartier qui sont à la maison assises, donc j'ai fait appel à eux. Donc on travaille ensemble, vraiment on arrive à joindre le debout ensemble. C'est des jeunes qui sont compétents et courageux. Les processus prend combien de temps et Le processus de fabrication, il prend normalement euh, une trentaine de minutes parce que d'abord, il y a la première étape qui est celle du mélange et du moulage. Et ça prend au moins ça, 12 à 15 minutes. La deuxième étape, c'est le démoulage la préparation de la machine et aussi le décompressage donc de la matière. Donc là aussi, ça nous prend au moins 5 minutes. Et il y a le séchage qui sera bien fait. Donc on doit prendre tout le temps, 3 à 4 minutes pour bien le faire. Et ça, c'est le processus normal. On peut aller au-delà de ça quand il n'y a pas trop de travail, mais aussi c'est important de respecter le, temps de 25 à 30 minutes pour chaque passage, pour chaque machine et pour chaque travail. La créée qui sera attendu pour le séchage. Ça doit attendre au moins 24 heures ou 48 heures pour que ça puisse bien être séché et aussi corriger les, difficultés du séchage. Donc on doit bien prendre soin de là où on doit sécher ça s'il n'y a pas de poussière. La gaieté, elle doit prévaloir quoi, pour que nous ayons un produit d'hygiène. Voilà, chers auditeurs, c'était la première partie de l'entretien qu'a accordé M. Bachir Baomeguizo, promoteur de l'entreprise Fikira à Habiba Ahmed. Avant de poursuivre, nous vous proposons cette chanson Dongo de Sadou Bouri. C'est parti. Saadou Bori a commencé sa carrière musicale dans l'orchestre Gourba de Maradi avant de rejoindre l'orchestre carnaval de son oncle, le fait Hassan Garba, où il connaît la gloire. Et ça, c'est un très beau featuring entre Saadou Bori et le fait Moussa Poussi tous les deux peu à leurs âmes, bien sûr. Et dans le clip de cette chanson, ils étaient vêtus à l'image du grand féticheur pour illustrer leurs paroles. Chico. Canto da barra. Voilà, chers auditeurs, c'était Dongo de Sadoubori et Moussa Poussi en espérant que vous avez aimé. Poursuivons cette fois-ci avec la deuxième partie de notre entretien. Ici, Bachir Baon le promoteur de la crée de Tessawa, revient sur les difficultés qui ralentissent ses activités. Aussi, il nous fait part de ses projets à l'avenir pour l'élargissement de son entreprise avec d'autres articles. Il est toujours au micro de Habiba Ahmed. En tout cas, c'est devant eux que tous ces processus-là se passent. Dans un premier temps, c'est lui qui fait la production est toujours dans la de l'interproduction, donc il voit comment on fait ce travail. Celui qui est au paquetage, lui aussi, il, a compris le système de paquetage et aussi la mise en boîte des créé. Et le livret, lui aussi, c'est un excellent. Il, sait très bien arriver à temps, donner vraiment du plaisir aux clients et aussi faire du marketing, en quelque sorte. Je n'ai pas encore un enfant qui a atteint l'âge vraiment d'apprendre, mais j'ai des voisins vraiment qui ont le plaisir de venir travailler avec nous et je le mets au bon de la chose. Parlez-nous des difficultés que vous rencontrez dans ce métier. Les difficultés que je rencontre dans ce métier sont beaucoup. Dans un premier temps, nous avons des difficultés parce que ça me fait mal d'aller jusqu'au Nigeria acheter des cartons. Ça me fait mal d'aller jusqu'au Nigeria pour qu'on puisse me fabriquer des boîtes là où je dois mettre mes craies. Normalement, au Niger, on devrait avoir des entreprises qui fabriquent des cartons que nous mettons des boîtes de craie et des boîtes de craie aussi. Parce que c'est des coûts que nous amenons à l'extérieur. Ça fait vraiment mal. Ça, c'est les premières difficultés. Il faudrait se déplacer, aller là-bas. Et parfois, on peut même aller avoir des difficultés de la livraison parce que le produit ne peut pas venir à temps. Donc, euh, quand on a un rendez-vous avec un client qui devait prendre donc ses marchandises et que les boîtes ne sont pas encore arrivées à temps, c'est des difficultés qu'on gère. Ça, c'est le premier aspect. Maintenant, le deuxième aspect, c'est au niveau des autorités. Nous avons toujours attendu, nous avons toujours eu à appeler les autorités pour qu'ils puissent nous appuyer dans ce sens. Nous avons, et deuxième les collectivités. L'année passée, nous avons eu le maire de Tessa qui avait acheté avec nous et nous, devons encore continuer à appeler les autres, les autres communes du Niger pour qu'ils puissent acheter la craie et donner aux écoles. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qui. Maintenant, la gestion décentralisée des écoles revient aux communes, aux collectivités. Donc, c'est un produit local pour la communauté et ils sont les leaders communaux. Donc, ils doivent nous appuyer dans ce sens pour que nous puissions maintenant ventiler et amener le produit là où il n'est pas encore arrivé. Est-ce que vous en bénéficiez Oui, Alhamdulillah, nous bénéficions parce que nous essayons de vérifier avec la comptabilité. Vraiment, ça va, Alhamdulillah. Nous ne gagnons pas beaucoup parce que c'est un produit local. On doit faire la promotion de ce produit à travers la révision de ce prix, parce qu'on doit faire un rapport prix et qualité, rapport plus moins d'achat, parce que nous avons une population et surtout dans le contexte actuel, on doit beaucoup réduire le prix et c'est ce que nous avons fait. Et des cartons de crédit que nous avons l'habitude de vendre à 15 000, nous les avons ramenés à 11 000, 11 500. Donc, euh, pour permettre maintenant aux gens d'acheter et avoir une accessibilité de ce produit local. Donc, ça, c'est les politiques que nous avons prévues pour que aussi nous gagnions un peu et que le client aussi bénéficie donc produits finis. Quels sont vos projets à l'avenir Nous avons beaucoup de projets. Nous avons une ambition de rendre cette euh, entreprise en étant un groupe. Parce que ici, nous avons d'abord la filière créée. et nous avons d'autres projets en annexe qui vont venir, Inch'Allah, c'est-à-dire euh, la gestion, la valorisation des déchets. Ça, c'est le côté environnement nous avons eh, eh, un projet en annexe. Nous avons aussi un autre projet qui est celui de travailler dans la cosmétique, c'est-à-dire les savons liquides, les parfums de chambre, l'encens et autre chose. Et nous pensons même former beaucoup de jeunes dans ce secteur. Donc là, c'est un projet très ambitieux que nous sommes en train de préparer et d'organiser, Inch'Allah. Et eh, Fikran Innovation a prévu beaucoup de choses pour la société, pour le Nigérien et pour le Niger. Avez-vous un message à l'endroit de vos collègues anciens oui, le message que j'ai à l'endroit de mes collègues enseignants, c'est de réfléchir sur comment aider ce pays. Nous, en tant qu'enseignants, nous avons un cœur vraiment très ouvert. nous avons toujours besoin d'aider les peuples, la population, nos enfants, nos mamans. Donc, à part l'enseignement, on peut prévoir d'autres choses qu'on pourrait maintenant mieux apporter nos contributions pour la construction de ce pays. Parce que le besoin a, a besoin de beaucoup de ces jeunes entrepreneurs qui ont le goût d'aider le pays. Vibrant appel que je lance à l'endroit des enseignants de ne rester pas toujours attendre la fin du mois, les salaires, le pécule. On peut prévoir d'autres activités qui ne vont pas enfreindre maintenant à nos activités. Donc, on peut essayer de faire le petit commerce à la maison, même si c'est le week-end. On peut vraiment prendre deux jours pour faire autre chose. Et cela va nous apporter un plus sur nos revenus et on pourrait maintenant mieux gérer la vie, mieux faire des choses vraiment que personne ne peut imaginer. En somme, les promoteurs de la craie de Tessawa lancent un cri de cœur pour la promotion de la craie locale et appellent les autorités à soutenir l'initiative. On revient juste après une courte pause. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Et oui, chers auditeurs, il est 11h passé de 28 minutes et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, comme vous venez de l'entendre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou. À présent, parlons environnement. Transformer les cartons en objets décoratifs, c'est le passe-temps de Rukaya Karimou à ses heures perdues, n'est-ce pas Abiba Oui, initialement diplômée en santé de la reproduction, ensuite déléguée médicale. Ruki Wilkam, comme on la surnomme, crée des objets d'art uniques qu'elle commercialise sur commande. L'art et la valorisation des cartons représentent sa contribution à sauver la planète, a-t-elle déclaré au micro de Rahila Toussoumana. On l'écoute. Pourquoi avoir choisi le carton comme objet de recyclage Le carton est pratique car c'est un matériau universel et tellement facile à manipuler qu'on on peut personnaliser selon ses envies qui devient un mobilier de décoration unique et on peut faire beaucoup de choses avec. Concernant les doutes quant à la solidité, soyez rassurés. Le carton est bien plus solide qu'on ne le pense grâce à notamment à sa forme alvéolaire. Et n'oublions pas aussi que le carton est fait à base de fibres de bois, donc c'est plus solide. Moi le carton est recyclé, plus sur le carton est solide. Où est-ce que tu te procures euh, ta matière première et surtout quel genre de carton tu utilises pour euh, faire tes réalisations Est-ce que tu les achètes ou bien on te les donne cadeau De plus en plus, j'ai vraiment pas à me déplacer parce que les gens me retrouvent avec le carton ou bien m'appellent pour me demander de venir récupérer des cartons. Donc, jusque-là, j'ai pas commencé à acheter de carton. Peut-être ça arrivera, mais pour l'instant, j'ai pas commencé à acheter de carton. Dernièrement, c'est Rose Forêt qui m'a contacté. Ils ont eu un grand stock de carton et ils ont pensé automatiquement à moi. Donc, j'ai été là-bas, je me suis servi et je travaille avec le carton que j'ai récupéré là-bas. Est-ce que tu penses que tout le monde doit s'y mettre J'encourage les jeunes à se lancer dans le recyclage. Comme ambition, pourquoi pas avoir une usine de transformation carton. Il y a des étrangers ici qui récoltent le carton, les broient et les envoient dans leur pays pour un, recyclage. Pourquoi nous ne le ferons pas ici Nous en avons besoin. Donc, j'encourage les jeunes à se lancer. Personnellement, maintenant que je suis dans le recyclage, je ne trouve pas mieux. Aller travailler dans un bureau, je trouve actuellement que c'est vraiment pas pour moi. Parce que j'arrive à mieux servir avec mes dix doigts étant dans le carton que dans un bureau. Le carton est écologique, il a désormais toute sa place dans notre quotidien. Non pas pour le rangement de nos souvenirs, pour l'emballage et autres, mais parce qu'il nous offre une possibilité d'agir sur la planète à notre petite échelle. Voilà, merci Rayla Toussoumana pour cet entretien. Chers auditeurs, à notre tour en musique avec Doka des jeunes filles des Maïs. chanson le plus populaire de la troupe de jeunes filles des Mayaï. Cette chanson évoque non seulement l'importance du respect du texte, mais aussi toutes les valeurs du patriotisme et du suivi. chers auditeurs, c'était le titre d'Oka des jeunes filles des Mayahi. Direction Tilaberi, plus précisément à Terra, pour parler d'un condiment très prisé et utilisé dans la préparation des mets traditionnels. On l'appelle Maribi Anzarma et Dodorbus au Anhausa. Il est utilisé pour relever le goût des repas aussi bien en zone rurale qu'en ville. Il est produit essentiellement à partir de graines de par les femmes. Reportage Moussa Bukari Kanda. Amenat Issa, agonda hikangba jiri weye a foto chigoyo mo kano agte ngono kiti marbio tegnerion marbio goyo wo aminat mana dondon kala za agzanka alwat kan nyongo gate maro goyo de nir gokte buri ga ham bur foyon kam faham ikak di kalso ga te ibubu allah iwe nyabu bonung maro te e bob gorkanda jarga egzanka amma kale beri ek faham kaagok maarote ege hurala amma mat herino kaddi hal batateyacine hal boraag duwakano borse borga adorendi mire se hurma riyo wola egate nde bato tun halano roge se nan ko selle calasa borkul gonda inga kama dabare kanno aga danjine kuduka mar biyo wo teda wodin fondara aminat isa akoygi filla mat kan nga wogtega mar biote alen gi samadi kon ka wegu wegu ne gadi em ka ka far ginek zib zibe ka em ye karo dange ma nyume kalwat ka ben ema sombu kober kusola in kusoode ke yoma den jooda hade koye guro sombe kabola dena muse yacine kulu guro din nina ber cire coy coy to aninno ema dek sobon kasere em kat wara wara em sosa hage hala mboori sosa haganta de ema sombo ki yeri yera lay gattunendi kala kulum ma soso aben kal kini hinka kini hinka wona la saro langnega ka tarik bungam saka bon sabe kaneya amma sabe se kala mboore ma danga su follolla ema dabe em kaka gis isufu ayuba amantikala borno kanga ba marbi wodin fondara marbio a aga fongan ba ngizank tarega aiwo wato kin irgizanka marbi irga dan awurgatra ga kasim saladi de saladi follon ko irga dangara hikukan dan kasim no ki gite kulirga dangara irga dan dangarla dama tsohon kan bore siga itilize zamtiru hunkuna halid duwa irga dan kasim fin dora parce que a se. iro no maro ukan kaka kiso no to romaji won kanka woti ni su romaji be maro agmensuno alin dibu dan hoira ba ba ba bai man romaji dan orginga marbio modai gisma izo ngano igi barka teda aman baigi jang we bor kul wana fo jina jinaira wodin kande sadio jibay amat borno kanga dai nga marbio aminat isado ana ngwana diyango fila hikanti maro a wona boriyaŋo do hare amati sa maro tengo knangin na be kurala konka zong na ganere ibol hink dene be kang mate bor fu afatta ngu hal honga manna maro halante kurala mbona stoganda ay wo ke mandi akine batmala kang wan maro tora zamate ko bumbo kunno sino so gaide no tindi ko dem mano albarkanton tona maro teyamala biyo goyo a akanda aminat isase gomna bambata zama agang murad ken kene feri dunoro kano agdu maro nere ngora amma marbio goy mono kan agond sendey dangmat kan ana fillanda mara te agond gomni halena te buri gadi windolan enanga te nesi kul sezam hinkin ka wono imunge murado ta hala ben ko ine miyekte e gork sine kange jergade non kakde zang zang woni kakde maro goyog doru albor moyes borin go subaɗiyago wala kalam tese bonsar wat foyo aminat isa amanangi zena guna ga jankangi wona mar biyo fotoco te wadin banda a mar biyo boro maga ingino za tera habora gugun kala tera kwara kulera bore na bay C'était un reportage de Moussa Aboukari Kanda, marquant une petite pause Fanta. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Et à présent, la page sport avec notre chroniqueur sportif Grouza Hasumi Karimou. Bonjour Grouza. Ah, bonjour Fanta, bonjour Rabiba. Bonjour Grouza. Bonjour. Alors, Guruza, la première phase des matchs retour de la Super League a débuté. Oui, effectivement, Fantin, match choc de la 18e journée a mis aux prises l'AS Fan, leader du championnat, face au 3e, la garde nationale. C'est la garde nationale qui a écrasé l'équipe de l'AS sur le score de 3 buts à 0, avec un doublé de Zachary Adebaor à la 42e minute, 90e minute de jeu. Le troisième but de la garde a été marqué par Ishoku. Mais l'ASFAN a raté un penalty à la 34e minute de jeu. Il faut rappeler, Fanta Abiba, eh, que lors de la première journée de cette Super League, l'AS Garde Nationale a perdu euh, la rencontre face à l'ASFAN. Malgré cette défaite, il faut bien noter, elle conserve toujours sa place de leader avec 9 points d'avance sur la Nigélec qui est deuxième. Gourouza, la Ligue régionale de football de Tilaberi a tenu son assemblée générale pour élire son bureau. Oui, Abiba, Mamadou Ali Mazou, c'est le nom du président qui a été reconduit au poste de président de la Ligue régionale de foot de Tilaberi pour un mandat de 4 ans. Mamadou Ali Mazou, Manzo, Mazou, Manzo, oui, c'est Mazou, <laughs> a, oui, a fait le bilan de son premier mandat et l'évolution du football dans la localité. Il est au micro de Salamatou Kadri. Quand on a pris fonction, la y avait quatre clubs affiliés à la Ligue. Nous sommes retrouvés maintenant en fin de mandat à six. Donc cela veut dire que déjà un effort a été fait. Présentement, un de nos clubs est en Ligue Division 1, mais le meilleur objectif serait que nous soyons maintenant à la Super Ligue. Mais malgré tout, nous avons quand même à notre actif fait beaucoup de choses parce que simplement, au niveau de la région de Tilabéry, les jeunes se sont beaucoup, beaucoup dépensés. En dehors donc des clubs affiliés, il y a donc des clubs de division, c'est-à-dire des districts qui ont beaucoup fait de TGV, mais malheureusement ces TGV n'ont pas abouti maintenant à faire le recrutement donc de talents parce que Tilabiri a une difficulté. Nous avons 13 sous-régions. D'Abala à Bankilare, ça fait 13. Et vous voyez très bien maintenant la distance qui les sépare. Alors nous avons un seul conseil technique régional et le déplacement maintenant quand il s'agit de TGV pour aller identifier des talents, cela est très très difficile. Cela est arrivé aussi pendant tous ces quatre ans à une situation d'insécurité notoire, permanente dans la région de Tilaberi, les déplacements ne sont pas faciles. Donc ça, ça a été un aspect peut-être qui a un peu freiné quelque peu nos objectifs. Mais l'un dans l'autre, avec maintenant le concours donc de la Fédération nigérienne de football, nous avons quand même pu organiser les différents championnats dans le cadre de la Coupe nationale et aussi dans le cadre de la montée en division et maintenant à la Super League. Et au niveau aussi maintenant donc du terrain, c'est-à-dire la pelouse synthétique que la FIFA a généreusement euh, offert en tout cas aux régions, nous arrivons à gérer. Mais une des difficultés que nous avons avec le stade, il y a toujours l'occupation donc des universitaires. Cela qui nous entorse peut-être, en tout cas, à l'existence même maintenant donc du football. D'aucuns vous diront que cette cohabitation-là est pratiquement très difficile. Mais néanmoins, le football évolue parce que, bon, tout le monde joue, comme on dit, les jeunes comme les adultes. Alors, l'ouverture de la de l'Académie des jeunes talents à Niamey, une très bonne chose pour la nation entière. Il a a eu deux représentants. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà un indice que chaque année, certainement, ils vont recruter. Nous allons nous atteler pour que les jeunes à la base, quand même, puissent profiter donc de cette perche-là que l'État tend à tout le monde. Voilà, c'était là euh, le président réélu Mamadou Ali Mazou et Fanta. Abiba, c'est la fin du sport aujourd'hui. Merci, beaucoup, pour ces informations. Passe une excellente journée. Merci à vous. Notre étoile du jour est Yohanizou Ahmed, connu sous le nom de Rauda Mama, une mère de famille qui fabrique et commercialise des l'encens. Elle en a fait son activité principale depuis une dizaine d'années. Omo s'est entretenu avec elle. da concentré yin ikul no yi gite so da yi aila sabo ga 2010 no yi sintin dugo ga kom a yi mamma biyar fono ga ne dugu ay abin abanda wato din na ga hansa se he hino dinga pona ga so halaika yi wanai se. lokacin kan yi sintin ga dugo te Warai so bai ga hamburan di gane dugu te a ga tebo se ku fudori aga haiwa ayman salih hala nun kan mani mammani ay misite zambo gadi wo kan goga dugo ta amskoi data sai problem ay wogo ga ede amskoi gita mu am kartai sai haifo a to lokaci kan ay bumboy ka ay go sintine te kai kai yi bonse da na yi can mataki dugo te da hagu yan ayi da haiwai ai mu hala nun kan yi wai ka ai tai bon sai dai duwai no kaina ai kwai gai dugo dai ai gite ai ga han sai bon kai kai kaina to son ai ka saman turare har kanen goni sai turare bundu ifo difo ni te goyo wora to wallahi goyo kai haya kan ai gitaga a gaba gumu o ai gite concentrate yan ai gite VIP ai gite al'ut ai gite tafarce ai gite sandal flare haikul na yiti dolari yon kula giti maso maso dai haikul da bogo gati hanfo ni gidwa na fadaino ni bai kwete formation duk dondon yambo o bai koy hal may mai ay ka aidi matakai gangai ta farca ce aidi matakan gangai alutai hanse halatonu kaga ibun boson aidu formation bobo mai dugu banda ai bai gite ne wo nun kan so ibun bono ga idu gai hanse se ai gite ikun no ai gite gai gaba so so kan kan ni godo nan di to ai go gai biye gai zai don nan di dai kwa gai zai zam dugu a sibo fu to son ni kunni man baigin wal fami rabul famin ganji ah wallahi ai mai gida man bai kai ganji dugo te yango wat kul mona ga yi an kuraji a gane bor kan ba goyo da borga te a sibo fu ngum bono gane ai ma zan kai dondon ndi zama ai gogo fu yanno igaice dugu na i igaba ai gonda zan kayan kan ai ganno im konda borasi C'était le portrait de Yohanizou Ahmed interrogé par Oumu Umaru.

ka kwana. Voilà, chers auditeurs, c'est le moment d'écouter le loti après cette belle chanson Meita Keta de Idina Dadon, rétro bien sûr. Et le loti d'aujourd'hui nous vous propose comment rattraper une sauce trop salée. Et oui, à il existe des astuces pour corriger sa sauce. On découvre ensemble de quoi il s'agit avec Rekia Arimi et Ruketo Abdraman. Lottie, Loti. Loti. Loti. Loti. Loti. kop kop kop gwarga sin matin kani ba mi same hmm ifo hauka ne go goma honku ni fonon go hinir seo ifo no ne ba nin dai no abu mai yanno iro wodin kan ni gogaki ai gini bai ni suke da window wora ka dai din ma ai kwar ku so hawo kai ga bisini kwar ga hmm choro ai no nugu somo bine ko mu ka dai no gidi hannu ga babar kan giniga gorko ai gin bai bu ai man bere ai wani kai na kwar bu to zakan ni kadai ka ga ta baya ise ga ma kiro mata na goda zama ai manu baniya kai ne mici ni se ma fenai goga te zama ai wani alborai no go kaga fakara ise hunkuna alulo to kan dai ma hmm, rashida kiri ifo te ku har nun nin wa te da he kiro ba gumni mu, wai ni ne ni wani goga te hiniyan gwaninta hiniyan wani yan <laughs> zanga mate abin da aina matki ga foyowo te aina gana ke me dari ke me dari yan wani tirara he ai gini bai gwargasin din mayo din kan ga ba biniyai a gini ga te mo ni de na no si ga gwai na ngai mta ba gama sai foyo jancha me nimo kai kai kai kai wallahi gwargasin ne ga kim subhanallahi mata nai ga te gwargasin ai alborai mo ka da tonton da Hmm, ne lakkale kanandi musu humburu ai gwanda fondi yankan ai ga gana gake bense matkan no ga tega no foyo chiro zabu to min hangai feri gama ai go gama ni se dinga ba no foyo chiro mu zabu ni mudu na dangi bi zihinka wa kan san sare ne sharbon ni mi nyum halin bori ni mi ke tun fora wat kan kina go zarga dangi bi hey fa gorgasin ni bai foyo mu bino haifa nimmo ai man nem ko gi bo ku gidan arabu izi hinki hindu wasa e minti hinki hindu wasa da zargani maka nufo kiro kulga zabu din sindi sharbon mu soya ne bai gazo watu man tubar kulno gwan dangibi din sindi dangibi yodi ni numdu nu pomdo tari zakan na fifiri nima dumbu dumbu nima kitun foyora da zarga aga kiro din kulhan wallum du wai banana din kansi ne banana plantain ingin boda agate da zarga mintiyan ni maka ni foyote eto nan plantain wadin kan ne gici han kai igin waya dinga ya toy ma ka foyo rame wala ha ah, wadi ne nok bai fa din foyo da ni foyo ran ni foyo te foyo ma wadi ne nok bai mu bai mo kan ba sukar fallon ko din duwa agte din da ni foyo ra kai ni fo nim kan kan bara kai ni fo sukar na madan aga foyo ciro jara ir irkoy bere da fondi ko ni ga hay kunno ni ma foyin da sukkar to ai sin da hina kulu ai gin wani yamar yan wasan budaino to wasu kwagin hinengo banandi hey kai gina wannan ne wani haye wa kulu bambo din bini ya yadi ne. Hmm. ir wasa bai bon dai kan naga janki wata kulu grupa din bon dai no irga charno berai wadi yan kulbo so hon kuna ni din te murado ai nin no berai to gorgasin ai sabu wallahi aiki ni se dai foyo kiro zabo amma ni mo ni do hara ko kari gaidan aran grupo dira hey ir grupo kan ne ragai tantai ko non kyar ku bayara ai da. ba ni gorgasin ni mo barsi bora ganan dingida sai ganan daida manga manga telefono bumboda zai koi foyin hantu ai ai go gudu wasi kiyan bumbuda ai gun gidi ba so hin yan fodum ni sambirse ai go kwen yandu babu gwa ma fa kuna eh to masidir yan fa yandu nya maidan grupo dira insha Allah <laughs> to ai sabu kuma les désormais nous saurons comment récupérer notre saucisse électro-salé. Place à la culture linguistique et ça sera avec Alassane Abdou, notre rédacteur en chef. Il nous vient avec le mot de la semaine ONG à l'occasion de la journée mondiale des ONG célébrée UR 27 février. Bonjour Alassane. Bonjour Abiba, bonjour Fanta. Bonjour Alassane. Merci beaucoup ONG, comme vous venez de le dire, c'est le mot de la semaine. Le mot d'aujourd'hui donc sera euh, une traduction du mot ONG. C'est un mot que nous entendons souvent, mais tout le monde ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Vous pouvez rentrer dans les villages, villes, on va vous dire ah c'est les ONG qui nous ont amené ça. ONG, ONG, ONG. On ne sait pas exactement c'est quoi une ONG, et de quoi il s'agit, c'est quoi aussi la différence avec les autres organisations. Donc une ONG en fait c'est un acronyme c'est un acronyme, c'est la version abrégée d'organisation non gouvernementale. Le O veut dire organisation, le N veut dire non, et le G, ça veut dire gouvernemental. Donc, organisation non gouvernementale qui n'est pas pour le gouvernement, c'est ça, l'ONG. Qu'est-ce que c'est qu'une ONG Bon, les gens disent que c'est une association ou groupement de la société civile ou d'intérêt public au Niger, il y en a beaucoup, beaucoup, des centaines, des milliers d'ONG ah, internationales. Vous bien vous écouter encore et encore, mais le temps est contre nous et on a besoin de cette explication en Donc, donc, euh, euh, on je viens de le dire, il y en a beaucoup. Il y en a <laughs> beaucoup sur le plan international comme national. Et on peut citer plusieurs aussi, mais le temps ne nous permet pas quand même de, citer ces ONG-là. Mais je vais quand même parler du but de ces organisations. Ce n'est pas seulement de se faire de l'argent, parce que c'est ce que certaines pensent, mais en général, c'est d'être d'utilité publique. Beaucoup travaillent dans des actions humanitaires, et de répondre aux catastrophes naturelles et aux guerres, épidémies, etc. Il y a beaucoup de choses que les ONG font sur le plan national. Donc, c'est de faire la différence entre les organisations étatiques et les organisations non, étatiques. Donc, euh, si le temps nous le permet, euh, également, on va un, peu, un tout petit peu expliquer ça en ah. Zarma. Donc, euh, 30 euh, secondes. en 30 secondes, c'est pas possible. Donc, on ne va pas mettre l'appel des auditeurs. <laughs> on va continuer à expliquer aux gens parce que vaut mieux expliquer en Zarma que de l'expliquer en, en français. ONG, ONG, ONG, ONG, ONG, ONG, ONG boreno ONG, ONG, ONG, ONG, ONG, ONG, ONG, yakini ONG, ONG, ONG mantaha ONG, kunda kan ONG, ONG, kunda kan mantu ONG, kunda ONG ONG iri iri yenno igona har kanga tibore kan yango bera do la bo bo go fondo bo birra wat kan haro harina borenga wat kan Watkan wat kan sande bo biyan kan no kunda woni bongorera kige bore gaksne en ka dambore se ibahuna mo bori woni afoy mo gono kan do hare bano do hare de ina de mize kim fonde tabbatan jongo do hare woni ONG mana Merci beaucoup. Merci Fanta, merci Habiba. Merci. Chers auditeurs et auditrices, merci de votre fidélité au programme du studio Kalango. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages et maintenant on vous propose quelques-uns. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Assalamu alaikum suna na Malam Abdul Farizan na Association ta Donar da San Reshen Gunduma Arlit. Eh, Radio Kalango a kodon lokaci duk maraice na Allah ina sauraron su ina jira gaskiya duk a cikin kasar Nijar kowace department kuna da wakilan ku. Gaskiya shirin ku yana kayatar da mutane a hakikanin gaskiya tsakani da Allah. Sai mu ce alhamdulillah Radio Kalango tana waye ma mutane da kai tana talakawa da kai birni da kauye bisa kan tahiyar da zamantakewa rayuwar zaman duniya. Sai mu ce nan masha Allahu alhamdulillah muna kai godiya ga da station eh, radio kalangu eh to musamman dai gaisuwa ta ta farko dai ina gaida alhaji bubakar wanda ke da kes a ne bayan kumsiriya ta arlit first interview ina gaida blende ina gaida abokina mamman gungu ina gaida abokina ada wanda ke can garin akokan ina gaida alhaji habu mai atamfa ina gaida alhaji zabaru alhaji dinar da ina gaggaida su ina gaida aliliyo ladanin mu na kominak gaskiya studio kalangu radio ce ta musamman da yake tana aiki da radiyuka na cikin karkara da na cikin birane wanda suke zaman kansu da kuma na al'umma to gaskiya zuwa kalangu abin ya ƙara hayaka inda a kalangun ne za ka jin labarin dajin ku labarin birnin ku a kalangun ne za ka jin labarin gidan kama na kanka tunda akwai wasu abubuwa da kake yi kuma akwai waɗansu abubuwa da suke ɗarbe ba kai amma ta hanyar kalangu sai ka ji wani ya ba da labari a kansu idan masu kyau ne ka ci gaba idan kuma ba su da kyau kaga sai ka ka daina. Mai magana Mamman Sani daura cin wazaban. To ni dai gaskiya studio Kalangu shirye-shiryen su suna ƙayatar da ni musamman ma shirin da suke yi na sanin yadda ɗan ƙasa zai san haƙƙin shi ga gwamnati ga duk wani abu dai da aka take mai haƙƙin shi yadda ake bin lambobin dokoki na ƙasa da ƙasa suka ba da dama ka je ka hudu yancinka to gaskiya na shirin yana birge ni sai kuma shirin da ake yi na matasa na wanda ake cewa mu haɗu a fada to kiran mu da shi wannan shirin shirin nan ya ƙara zuwa ƙauyuka karkaruwa ka na garuruwa wanda suke cikin kwamin kwamin haka ta cikin ƙasan jamhuriyar Nijar kuma ya kamata a ce ta studio Kalangu ta buɗe wani group na wani ko kuma wata club dai wanda yake tashaye ta masu sauraron studio kalangu studio kalangu labarinsa da suke na ƙasa da kowane yare gaskiya yana birge ni. Eh, ina gaida abokina mutar basir da ke Radiyo Shukura. Akwai Dozman, akwai Shugaban Raba Mai Aski, akwai eh, hamus Mai Ɗan Kuka, akwai Kabiru Sule Usman da kuma dukkanin mambobi na masu kira da sauran radiyo ta Afirka. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. cette émission de ce mercredi 28 février 2024. Vous étiez en compagnie de Fanta Chamsou et de moi-même Habiba Ahmed. Rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de nos radios partenaires. À l'édition, c'était Adama Dawaki et Rahila Toussoumana. Et à la technique, c'était Kader Tombiano. Et si vous avez raté cette émission, pas d'inquiétude, vous pouvez retrouver tous nos contenus sur le site web www.studiocalangou.org ou sur la page Facebook du Studio Kalangu. Bonne journée à vous. Bye bye. Thank you.